le forum du forum, le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Madame, euh, bonsoir. Il est 18h15. Merci d'être à l'écoute euh, du studio Kalangu. Cette page euh, horaire est consacrée au forum du studio Kalangu, un espace d'échange avec des invités. Dans le respect mutuel, le forum du studio Kalangu reçoit des spécialistes ou des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et en Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Vous pouvez nous écouter aussi en direct à Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozerine, Magaria, Mainesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Enfin, vous pouvez nous suivre en direct en streaming sur le site euh, www.studiocalangou.org. Notre thématique de ce soir est intitulée La circulation routière, non-respect de la réglementation. En effet, le code de la route euh, en vigueur dans notre pays datait de 1963 et ne répondait plus aux différents changements démographiques du parc automobile, mais aussi des infrastructures routières. Ce n'est qu'en 2014 que les députés nationaux ont révisé le code de la route nigérien afin d'améliorer la circulation routière et pallier aux nombreux accidents de la route au Niger. Pourquoi les conducteurs enfreignent-ils les règles de conduite Que font les pouvoirs publics et les autres acteurs pour le respect des textes En dehors des règles, ils existent il existe aussi la courtoisie, la tolérance sur les axes routiers. Les piétons, les personnes âgées et celles vivant avec des handicaps méritent des égards. Comment mettre tous ces aspects ensemble pour le bien de tout le monde, pour tenter de répondre aux multiples questions que vous vous posez Sur le sujet, nous avons dans ce studio Ousmane Yakouba, commandant de la circulation routière de la ville de Niamey. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alio Oumarou, le coordonnateur de l'ONG Fonday Mabori. Bonsoir. Bonsoir. Et Gamache Ansambou, secrétaire général du syndicat national des conducteurs de taxi, Cinco Taxi. Bonsoir. Bonsoir à vous. À la présentation du forum, Rahilat Soumana. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faites-nous une présentation succincte des structures que vous représentez. Monsieur Ousmane, vous êtes euh, le commandant de la circulation routière ici à Niamey. Dites-nous en quoi consiste votre mission. Merci. Comme vous l'avez dit, euh, je voudrais me présenter. Ousmane Yakouba, commandant de la circulation routière de la ville de Niamey. Euh, l'unité que je commande, donc l'unité de police routière, est un service de la direction de la police de la ville de Niamey, que l'on connaît sous le nom du commissariat central de Niamey. Les missions, pour en citer quelques, euh, quelques-unes, les principales missions, c'est d'assurer la sécurité routière en milieu urbain, gérer le trafic routier, exercer le contrôle routier, prévenir et réprimer les infractions à la législation routière, conseiller, sensibiliser, assister, éduquer, secourir les usagers de la route, escorter les VIP, les personnalités. Nous procédons aussi à des escortes de fonds. Voilà donc euh, succinct les principales missions assignées à l'unité de police routière. Merci à vous. Monsieur Alio vous êtes le coordinateur de l'ONG Fonday Mobori. En deux minutes, euh, quelle est votre action L'ONG Fondé Moubori est une organisation non gouvernementale créée par des jeunes pour contribuer et renforcer en tout cas les capacités de la jeunesse pour réduire les accidents de la circulation routière. C'est une ONG qui a été créée en 2009 par des jeunes pour la sécurité routière au Niger, sachant que les accidents de la route sont devenus la première cause de mortalité chez les moins de 24 ans au niveau mondial. Nous nous sommes engagés pour appuyer les efforts de l'État, parce que l'État à lui seul ne peut pas euh, renverser la tendance. Et le Niger, malheureusement, est l'un des pays de l'espace CEDEAO où les statistiques sont très alarmantes, malgré en tout cas euh, le parc automobile qui, est trop faible. Donc ces paradoxes nous amène à jouer notre rôle de notre rôle de sensibiliser parce que nous, en tant qu'ONG, on ne peut que sensibiliser, mais aussi travailler eh, de concert avec les forces de défense et de sécurité, notamment la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, pour mener des actions allant dans le sens de sensibiliser et contribuer en tout cas à réduire les victimes des accidents, notamment les jeunes. Merci à vous, Monsieur Gamache, secrétaire général du syndicat national des conducteurs de taxi, Cinco Quel rôle joue votre syndicat oui, merci. Euh, comme euh, tout, syndicat, le rôle que joue un syndicat, c'est de défendre les intérêts matériels et, moraux euh, de, ses, membres. Donc, le Synco Taxi a été créé en 2009 par les taximans, donc pour essentiellement défendre les intérêts matériels et moraux des de, nos militants. Donc, dans cette défense, Évidemment, euh, nous jouons aussi le, rôle de, euh, nous sensibilisons aussi les camarades par rapport à la circulation routière, par rapport au travail même, euh, au métier même du taxi, parce qu'il faut bien connaître le métier pour l'exercer, parce que nous faisons un service public et social, donc il va falloir qu'il y ait quand même des gens responsables, courtois, comme tu l'as dit, euh, pour exercer euh, ce métier, euh, pour que ça profite d'abord à nous qui l'exerçons et ça profite à la population pour laquelle nous sommes, là. Merci à vous. À présent, nous allons à la rencontre du syndicat national des conducteurs routiers voyageurs du Niger et membre du comité national de la sécurité routière basé au ministère des Transports. Oumara Amadou, secrétaire général du dit syndicat, nous a relaté un peu les difficultés auxquelles les transporteurs sont confrontés. Selon lui, les réglementations ne sont pas respectées parce qu'ils ne sont pas bien imprégnés du nouveau code de la route. Il y a un nouveau code de la route qui est venu. Donc, ce n'est pas tout le monde qui connaît cette euh, code. Donc, suite à ça, il y a beaucoup de panneaux qui viennent qu'on ne sait pas. Donc, les gens ne respectent pas. Surtout sur le nouveau rond-point. Tu vois, voir, tu viens, tu stoppes. De l'autre côté, tu ne sais pas c'est toi qui passes ou bien c'est l'autre qui passe. Ils vont dire laissez le passage. Donc euh, il y a beaucoup de nous qui ne connaissent même pas ce que le panneau a dit. Et puis la prudence même. Les jeunes ne tolèrent pas. Vraiment, on n'est pas patient. À l'histoire du pays, tout le monde sait par rapport au Niger. Là-bas, leur fait de stop, leur panneau, tout ça là, ça travaille normal. À chaque carrefour, vous allez trouver des forces de l'ordre qui s'occupent de la circulation, uniquement de ça. Et leurs usagers respectent le code de la route. Leur mentalité ici, c'est pas même. Vraiment, c'est pas même. Déjà plus de un an ou bien deux ans par rapport aux nouveaux réglementations. Avant de le mettre en vigueur, nous, on a dit il faut qu'on associe tous les acteurs concernés. Donc, jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas associé, n'a mis en vigueur cette euh, réglementation. Donc, il y a vous venez là d'écouter Oumar Amadou, secrétaire général du syndicat des conducteurs euh, routiers. Je vous propose encore de suivre l'intervention d'un moniteur euh, d'auto-école de Niamey. L'auto-école, euh, un passage obligatoire pour les futurs conducteurs de voitures et de motos ayant l'âge requis. Selon Oumar Moussa, moniteur d'une auto-école de la place, l'absence de panneaux et signalisation sur les voies est l'une des causes du mauvais comportement des conducteurs ce qui nous a arrêté, le vrai âge qu'on veut pour faire un permis de conduire, c'est l'âge de 21 ans. De 18 ans 19 ans jusqu'à 20 ans, ils ont une autorisation des parents qu'on demande. Celui qui voulait faire un permis A, bien on dit permis A1, c'est l'âge de 18 ans, 17 ans comme ça le permis B, lui aussi. 19 ans jusqu'à 20 ans, ils ont une autorisation qu'on demande. La personne apprend bien ce qu'on lui montre avant d'aller en examen. Donc on va le suivre avec leur intelligence et leur manière de faire le travail. Il y a d'autres qui les harcèlent, ils n'apprennent rien. Parce que si la personne a son permis de conduire, maintenant, la circulation dont il fait, il y a d'autres, il connaît très bien le panneau, mais ils viennent dans une intersection, il n'y a rien. C'est au gouvernement maintenant d'aller voir les lieux les plus importants, les lieux les plus fréquentés, pour mettre des vrais panneaux qui correspondent à cette intersection-là. Ou bien c'est un carrefour, ou bien sûr, une voie prioritaire, ou bien sûr, une voie non prioritaire. Il faut qu'on les explique. Je ne peux pas refuser que le gouvernement fait de son mieux, mais il n'a qu'à continuer pour aider la circulation à bien travailler. Alors, Monsieur Alio, qu'avez-vous à dire euh, sur les raisons avancées par les conducteurs euh, routiers et le moniteur d'auto-école sur le non-respect du code de la route et surtout que faire, euh, fait votre organisation pour éviter ce comportement Écoutez, je suivi le premier intervenant, tout comme moi et qui nous sommes tous membres du Comité national de sécurité routière, mais à plusieurs reprises, par exemple, lorsque euh, le gouvernement avait procédé à l'actualisation de ce code, nous étions partie prenante, nous avions apporté des propositions, notamment euh, l'interdiction de l'utilisation du téléphone cellulaire au volant. Nous avons demandé à l'époque euh, l'actualisation et de, la loi portant aux obligations du port, du port de casque et plusieurs autres mesures. Malheureusement, ça a pris du temps. De 2010, ce n'est qu'en 2014 que ce code a été adopté à l'Assemblée nationale. Mais malgré tout, beaucoup me connaissent ce nouveau code. Donc, il va falloir que le gouvernement mette des moyens au niveau du ministère des Transports pour sensibiliser les usagers. Maintenant, concernant euh, les auto-écoles, malheureusement, nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes qui détiennent leur, permis, qui ne sont pas passés par, les auto-écoles. Comment ils ont fait pour euh, obtenir ces permis Vous faites un tour au ministère des Transports, certainement qu'ils vont vous donner la réponse. Or, lorsque vous conduisez, vous êtes appelé à parler avec les panneaux de signalisation. Donc, lorsque euh, ce passage obligatoire dans les auto-écoles n'est pas fait, vous imaginez que c'est des tueurs ambulants qui sont formés. De telle sorte que vous allez retrouver aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont le permis, mais qui ne connaissent, pas les signalisations. Donc ça, c'est un danger permanent qui guette en tout cas les usagers, les usagers de la route. D'autre part, ils ont amené des réformes par rapport même au passage, puisque avant, euh, lorsque vous fréquentez, vous voyez que ce n'est pas le même code. Aujourd'hui, le passage sur les écrans, je ne pense pas que ça soit une bonne chose parce que nous, nous l'avons toujours décrit. Le gouvernement l'avait instauré pour une période test de 3 à 6 mois. Mais maintenant, ça fait plus de 5 ans qu'il l'utilise. Ce n'est pas une bonne façon, en tout cas, d'apprendre. Avant, par le passé, lorsqu'un jeune euh, part euh, pour son examen, il est tellement inquiété parce que l'agent examinateur est très rigoureux. Aujourd'hui, si vous prenez 100 candidats qui, partent aux examens, c'est souvent 100%, au-delà même. Souvent, c'est plus de 100% qui acceptent. Donc ça, c'est un problème qu'il va falloir régler. Mais il faut aussi que les agents, qui, les, l'agent verbalisateur, comme on les appelle, puissent être mis dans des conditions pour faire convenablement son travail, notamment les agents de police en milieu urbain et la gendarmerie en, en race campagne, qu'ils soient dans des conditions pour mener pour mener favorablement ce travail. Imaginez lorsque le policier arrête le jeune sans permis. Le premier qui appelle, ce sont ses parents. Si ses parents n'ont pas de contact du, commandant, c'est le, grand, le grand frère, c'est une autorité qui est parent de ce dernier, qui, est appelé, qui, demande aux jeunes de ne même pas bouger avant qu'il ne parle à l'agent de police sur place. Cela ne conduit pas à renverser la tendance. Parce que dans tous les pays, où ils sont parvenus à renverser la tendance, ce que la loi, elle est appliquée. Souvent dans les accidents, on accuse nos jeunes, notamment les taximans. Or, la courtoisie dont on parle, le plus souvent, vous allez voir quand la circulation, elle est bloquée, souvent, c'est le taximan qui est devant qui cède le passage. Or, nous sommes comme dans une jungle où chacun pense que quand il a la priorité, c'est une priorité absolue, où il faut écraser l'autre, où lorsqu'il n'y a pas un agent de police ou de gendarmerie, le matin, c'est une catastrophe que nous vivons dans les centres urbains. Tout ça là, il faut que nous acceptions nous-mêmes de nous remettre en cause et puis d'accepter de respecter le code de la route. Une chose est d'avoir un code mais une autre est, de respecter cela. Et c'est pourquoi j'étais très content. Lorsqu'il y a un an de cela, le, procureur de, la République avait fait appel à tous les agents, en tout cas à tous les acteurs de la sécurité routière, ONG, police, gendarmerie, conducteurs de taxi, les transporteurs, tout le monde, pour leur dire, écoutez, nous sommes dans une chaîne où les ONG, les syndicats sensibilisent, la police verbalise. Mais nous, en tant que justice, il faut qu'on punisse. Donc lorsqu'on ne punit pas, on va continuer à vivre la même situation. Donc c'est pourquoi je nous interpelle. Je vous interpelle en tant que média de faire juste un tour sur le premier pont, les jours ouvrables. Je vous jure, vous allez trouver des charretiers, de, l'échangeur jusqu'à l'université qui bloque tout le monde, tout simplement parce que euh, aujourd'hui il y a de l'incivisme, on ne laisse pas la police ou la gendarmerie dire aux charités, mais écoutez, c'est une heure de ponte, vous arrêtez quoi. Donc c'est tout ce cumul-là qui crée ces désordres organisés en tout cas dans notre circulation. Merci Alio. Commandant Ousmane, on voit des polices euh, un peu partout au niveau de certains carrefours et pourtant des embouteillages, euh, des accidents surviennent souvent sous leurs yeux. Qu'est-ce qui explique cela Bien, la cause des accidents, euh, l'intervenant qui vient de, me précéder, il a, bien expliqué et euh, les causes des accidents, malgré la présence des policiers sur les carrefours. Il a bel et bien dit l'intolérance, l'impatience de, certains usagers qui pensent que, comme il l'a dit, la priorité, c'est un droit absolu alors qu'il ne l'est pas. Et il faut tout simplement tolérer, accepter, céder le passage à l'autre, et un temps soit peu pour débloquer la circulation, pour réduire même les risques des accidents. Ça peut empêcher même les accidents de la circulation. Mais malheureusement, donc, comme il l'a dit, à quoi on assiste, c'est chacun pour soi et chacun veut passer le premier. Tu ne peux pas passer, tu ne, tu, cèdes pas le passage. Donc, donc euh, il, faut, il, y a lieu, il a lieu euh, de, c'est l'occasion que vous donnez euh, au public à travers cette émission de, les sensibiliser, de les informer et afin de réduire les risques d'accident. D'accord. Donc, euh, quelles sont les infractions courantes constatées ici à Niamey par vos agents Bon, les infractions, euh, en gros, euh, on peut dire que comme vous le savez et vous l'avez souligné dans le, dans le machin, dans à l'introduction, c'est le non-respect du code de la route. Donc, les infractions, les infractions sont évidemment et relevé à tout moment. Vous avez, comme il a dit, donc, le, refus de priorité, le non-respect des signalisations en général, euh, les panneaux, les feux, et même les signaux des agents. Tu n'as pas le passage, au lieu d'attendre, non, tu fonces. Malgré l'ordre formel de l'agent, que tu ne devais pas passer, tu devais attendre. Tu as attendre ton tour pour passer mais les usagers forcent. Ça, comme il a dit, il suffit de faire un tour sur les carrefours. À l'heure même du réglage de la circulation, vous constaterez aisément et ce que nous venons de dire. C'est dommage. Donc, euh, malheureusement, donc euh, c'est l'intolérance qui, qui, prévaut partout, partout. Et c'est ça qui, est la cause euh, principal des, accidents de la circulation routière. Et comment sont-ils sanctionnés, ces chauffards Bon, ça dépend de la gravité de la faute. C'est, en général, c'est des amendes forfaitaires. C'est une amende qui est payée pour euh, le, simple infraction, mais en cas d'accident, euh, ça peut aller jusqu'au retrait, suspension du permis de conduire, et même l'emprisonnement, en cas de blessure grave ou de décès. Merci, monsieur. Je me retourne vers vous, monsieur Gamache. Vous représentez ici les conducteurs de taxi. Le plus souvent, c'est eux qui, sont indexés en ce qui concerne le non-respect des réglementations sur la route. Comme par exemple, euh, ils s'arrêtent euh, sans prévenir, euh, sans clignotant ou stationnement carrément sur la chaussée. Pourquoi tant d'imprudence chez les conducteurs de taxi Êtes-vous euh, est-ce vrai ce que les gens disent ou bien juste euh, des préjugés oui, merci. C'est vraiment euh, par rapport à ce que vous avez dit, l'imprudence et l'arrêt sans prendre de précautions, nous avons constaté que ces dernières années, les taximans conduisent très mal. Il faut, il faut le reconnaître. Nous ne sommes pas les gens des syndicalistes qui défendent du n'importe quoi, même du faux. Moi, j'ai l'habitude de le dire, que ces dernières années, nous avons constaté que euh, les taximans conduisent euh, très mal, alors que normalement, euh, un taximan, c'est un chauffeur professionnel. C'est lui qui doit donner quand même l'exemple. Mais malheureusement, c'est un problème qui ne vient pas, qui n'est pas propre, en tout cas, des, euh, des taximans eux-mêmes. Parce qu'avant d'être chauffeur, il faut aller dans une école de formation. Et c'est l'administration qui délivre le permis, c'est-à-dire l'autorisation de conduire. Donc euh, tout le monde sait aujourd'hui la manière euh, par laquelle les gens euh, obtiennent ces autorisations de conduire, qu'on appelle comme le permis de taxi. Mais c'est la corruption au milieu de cette, du permis. Aujourd'hui, si tu veux avoir un permis à Niamey, tu n'as pas besoin d'un mois. En trois semaines, tu as déjà ton permis. Il y en a des gens qui ne, qui ne, vont pas aux, à l'école pour avoir leur permis. Donc nous, à chaque fois, on nous indexe en tant que syndicalistes, on nous interpelle pour dire que vos, camarades font ceci, ils font cela. Mais nous, nous sommes une structure syndicale. Donc, eh, nous ne formons pas les, chauffeurs. On ne délivre pas les, autorisations de conduire. La personne vient en tant que chauffeur. Donc, l'autorité, c'est-à-dire à travers le ministère de Transport, lui, délivre une autorisation de conduire. Comme quoi, c'est un chauffeur plein qui est bien formé, alors qu'il est très mal formé. La première chose d'abord, la nouvelle réforme qu'ils ont amenée. Mais c'est la nouvelle réforme qui a tout gâté, comme a dit le président Alio. C'est ça. Avant, la manière dont on enseignait le code, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate Nous sommes les moniteurs même. Les moniteurs même ne sont pas formés. Est-ce que tu as vu une école de formation de monteur Comment on forme les monteurs ici Tu viens chercher un permis. Hmm tu finis, tu maîtrises le code. Tu n'as rien à faire, on te dit reste. Continue à, enseigner les autres. C'est comme ça. Parce qu'il n'y a aucune école. Ça, il faut retenir ça. Il n'y a pas une école qui forme les formateurs d'auto-école. Et quelqu'un qui n'est pas bien formé, comment est-ce qu'il va former l'autre Mais selon vous, quelle est la différence entre les deux réformes l'ancien système, on vous, on vous fait apprendre le code de A à Z. Tous les panneaux. Tous les panneaux. On vous apprend tous les panneaux. Si vous, <coughs> si vous maîtrisez le, le français, c'est en français. Si vous ne maîtrisez pas le français, c'est dans les deux langues, en allemand et en russa. Et on te fait réviser ça, tu finis tout, tu viens, tu fais la révision. Après, on te fait la maquette avant même d'aller sur le terrain et dans la circulation, tu dois connaître les carrefours sur une table. Et ça, il te faut au moins minimum trois mois. Trois mois, tu pars, tu échoues à ton examen, tu reviens, on te programme, 15 jours, un mois, souvent jusqu'à trois mois. Et donc maintenant, ce n'est pas le cas Maintenant, ce pas le cas. Je t'ai dit, j'ai discuté avec une fois un conseiller il est dans le milieu de, comment on appelle ça, du transport, tout ça là. Donc je l'ai interpellé une fois, je dit, eh, monsieur, vous êtes conseiller à la présidence et c'est votre domaine, qu'est-ce que vous faites pour, nous éviter ce genre de... Il m'a dit que il, dans le cadre de son travail de conseiller en matière de, de trucs là, ils ont fait faire des permis dans toutes les régions des permis achetés comme preuve. C'est eux qui ont fait ces investigations-là. Ils ont fait le rapport, ils ont déposé le rapport, mais rien n'a été fait. Les examinateurs qui sont au niveau de ces centres-là, mais c'est des businessmen. Quand tu vas à l'auto-école, présentement, qu'est-ce qu'on te dit Le moniteur même qui te dit 15 000 francs pour le code, 3 000 francs par heure euh, de conduite, on te fait une semaine de, truc de formation, on te dit, mais voilà, il faut donner 15 000 francs d'intervention. L'intervention, là, ça veut dire quoi De la corruption qu'on doit donner à l'examinateur. On donne 15 000 francs. Lui, le moniteur, il peut, il garder les 5 000, amène les 10 000. Donc, dans toute la chaîne, c'est la corruption. Donc, le problème n'est pas au niveau euh, de ceux qui vous voyez conduire. Souvent, moi, quand je vois les gens euh, euh, conduire mal, quand les gens crient, je dis non, ne criez pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Toi qui n'as pas, été à l'auto-école, tu ne connais pas ce que le panneau a dit. Parce que tu lis, tu, parles avec le panneau, tu parles avec tout. Mais quand tu ne connais pas le panneau, comment est-ce que tu vas le respecter Il faut d'abord connaître pour respecter. Donc c'est la nouvelle, réforme qui a tout gâté. Et je pense que le gouvernement doit revenir à l'ancien système. Parce que un chauffeur mal formé est un tueur en danger c'est un tueur, c'est un danger public. C'est un danger public permanent qui est là, ambulant. Oui, c'est ce que vous constatez aujourd'hui dans, les transports, les taxis. Dès qu'on arrête la personne, un coup, il s'arrête. Alors que quand tu dois t'arrêter, il y a des précautions à prendre. D'abord, il faut t'assurer si là où on t'a arrêté là, est-ce qu'il n'y a aucun panneau ou est-ce qu'on peut s'arrêter ou pas. Il faut prendre des précautions pour voir si est-ce que il n'y a pas de véhicule derrière vous. Mettre le client. Tout ça, là, les gens ne le font pas. Parce qu'ils ne le savent pas. Tu as acheté ton permis. Comment est-ce que tu peux On t'arrive. C'est ça. C'est ça le véritable problème. Et si l'État veut faire, il peut mieux faire. Parce que la circulation tue plus que le sida, plus que les maladies dans lesquelles on injecte des milliards. La circulation, parce que euh, si tu es un conducteur mal formé, ben, un taximan, moi c'est un taximan à qui on donne une autorisation de, conduire. Et après, ils viennent à la mairie, on lui donne une autorisation d'être un taximan. Il prend des passagers. Ces passagers-là, et c'est des innocents. Tu sors, tu veux un taxi, tu t'arrêtes, Toi, tu es sûr que le chauffeur qui va te prendre, l'État, l'État est sûr que ce gars-là, il est bien formé. Alors que c'est faux. Donc l'État te met dans la gueule d'un loup. Tu l'arrêtes, tu prends, il fait comme il veut, il va, faire des accidents. Donc vraiment la vie des Nigériens est en danger. Il va falloir réformer cette nouvelle réforme ou bien revenir à l'ancien système. Merci Gamache. Commandant Ousmane. Vous avez entendu les propos de Gamache Êtes-vous d'avis euh, avec lui ou pas ces, propos donc euh, viennent euh, étayer le comportement que nous constatons chaque jour dans la circulation. Et justement, concernant les, conducteurs de taxi. Et souvent, nous nous pensions qu'ils le font exprès alors que, euh, si j'ai bien compris l'intervention de M. Gamache, c'est la méconnaissance des règles du code de la route. Mais selon lui, il y a des permis achetés. La méconnaissance des signalisations routières. Quand on ne connaît pas la signification d'un panneau, mais on ne peut que le violer. Et en le violant, on constitue un danger quand, euh, par exemple, un panneau qui, où, on écrit, c'est écrit en français, c'est de le passage, tu ne sais pas ce que, ça veut dire. D'abord, le panneau lui-même, le gars ne connaît pas la signification du panneau. Donc l'écriture, c'est pour, c'est pour, pour éclairer davantage le conducteur. Donc un conducteur qui ne connaît pas la signification du dessin, du panneau, qui ne connaît ni la signification du panneau, ni lire, ni savoir lire, donc il constitue véritablement un danger dans la circulation. Je vous remercie, Monsieur le Commandant. Nous allons marquer une pause, le temps de revenir pour la suite de ce forum. Dans la circulation, les plus vulnérables et principales victimes restent les piétons et les motocyclistes qui sont exposés à toutes sortes de dangers, ce qui malheureusement n'est pas sans conséquence sur leur sécurité. Monsieur Ousmane, est-il prévu dans le code de la route un espace réservé aux piétons comme on le voit dans certaines villes africaines et européennes Absolument. Sur certaines voies, on voit bel et bien le, le passage clouté. C'est des dessins là aussi le problème, c'est que les usagers ne savent pas s'en servir. Ils passent partout. Et vous le voyez bien dans la circulation à Le piéton, il y a le passage clouté, il n'utilise pas le passage clouté. Il passe ailleurs. Donc, euh, c'est encore le même problème que les, les, conducteurs. Donc, vous voyez bien l'amalgame. Le conducteur lui-même, il ne maîtrise pas les règles, il ne connaît pas la signification des, signalisations, le piéton également, et même le motocycliste, c'est aussi la même chose. Euh, donc, c'est toute une cacophonie que nous sommes en train de vivre. C'est un danger permanent. Et pour eux, et pour autrui. Parce qu'il n'est pas dit que quand il y a un accident, que le conducteur s'en sortira indemne. Il peut en être victime, il peut être blessé, il peut même perdre la vie, ou perdre sa vie, ou perdre la vie de l'autre, faire perdre la vie à l'autre. Donc, euh, euh, vraiment, euh, donc, disons que c'est, vraiment un signal de détresse qui est là. Et les médias ont vraiment du pain sur la planche. Et il faut, il faut vraiment aller vite pour informer sensibiliser les usagers de la route. Je vous remercie, Monsieur Alliot. Selon vous, que faudrait-il euh, faire pour une meilleure qualité des passages piétons Écoutez, les passages piétons sont là. Souvent, ils sont morcelés et vendus par les agents des municipalités. Malheureusement, les passages destinés pour les piétons sont occupés par des marchands, ce qui n'est pas normal. Et même aux endroits où il y a de cela euh, bientôt un an, il y a beaucoup de boutiques euh, installées de manière anarchique qui ont été dégagées, mais ils ne sont pas occupés aujourd'hui par les piétons. C'est devenu des parkings pour les véhicules. Du coup, je ne vois pas la nécessité parce que dans la sécurité routière, il y a des règles, notamment le respect des usagers vulnérables. Et les usagers vulnérables, ce sont les piétons ce sont les cyclistes, ce sont les motocyclistes. Ils ne sont pas respectés. Ils sont piétinés. Ils sont détruits par euh, les, camions. Ils sont persécutés par, les quatre roues motorisées. Tout ça là, il faudrait qu'il y ait un changement, un changement de politique, en tout cas de, la circulation routière, parce que malheureusement, le coût économique des accidents de la circulation routière, madame, dépasse largement l'aide publique au développement. Un accident peut faire sombrer toute une famille dans la pauvreté, souvent à vie. Un accident peut faire en sorte que des enfants d'une famille ne puissent plus aller à l'école parce que le père de famille il est parti. Donc il y a beaucoup de conséquences d'un accident qui se passe en un quart de seconde. Il faudrait que les gens vraiment prennent conscience. Nous, au niveau de notre ONG, il y a des nouvelles routes qui sont construites. Au niveau des passages cruités, nous organisons des journées de passage. C'est-à-dire qu'on vient à, l'espace destiné aux piétons et on leur fait passer souvent avec l'appui de la police qui viennent en tout cas arrêter les véhicules. Malheureusement, souvent même quand nous on est là avec nos gilets réfléchissants, avec la présence de la police, vous allez voir des gens qui vont foncer sur les piétons. Où est-ce qu'on va oh, que vous êtes, dans cette règle de respect des autres, vous allez vous retrouver aussi à la même place que le piéton. Parce que quand vous avez un véhicule, vous voulez rentrer dans un marché, vous le garez, vous devenez piéton. Vous n'avez pas besoin d'être respecté ou pas. Donc tout ça là, il faut que les gens prennent conscience et qu'ils soient tolérants. Et puis aussi, faites un tour au service des urgences. Faites un tour voir le nombre de victimes qu'ils reçoivent. La majorité sont des victimes des accidents de la circulation routière. On peut éviter. On est trop fataliste, mais il faut qu'on arrête. Parce que tu ne vas pas, tu n'as pas de permis tu prends un véhicule, tu tues l'enfant de l'autre, tu, ou bien tu tues le père de l'autre et venir dire que ça vient de Dieu. Non, il y a des règles. Dieu n'a jamais dit de conduire sans permis. Dieu n'a jamais dit de conduire sans respecter, sans respecter les règles. C'est pourquoi moi, je suis pour qu'on sensibilise, je suis pour que les médias sensibilisent, mais il faudrait aussi qu'on sanctionne. Il faut qu'on sanctionne et sévèrement. Quand les sanctions vont prendre de l'ampleur, je vous assure que les gens, ils vont changer de comportement. Ça, c'est de facto parce que on peut ah, mener des voyages de tube. Tout à l'heure, le, gars, le transporteur. Comment Lui, en tant que Nigérien, il va dire eux-mêmes, leurs transporteurs, quand ils vont à l'étranger, ils respectent le code. Mais quand ils reviennent chez eux, non, c'est la jungle, quoi. On peut se permettre de, tout faire. Et puis, il faut réguler. Quand on dit que ce passage-là, c'est pour les piétons, on ne doit pas avoir de charité. Quand on dit que c'est pour les cyclistes, on ne doit pas avoir de camions. Mais au Niger, c'est un vrai désordre avec des politiciens qui interviennent à tort et à travers pour entraver les agents de police et de gendarmerie de faire correctement leur travail. Ça, il faut qu'on les dénonce. Peut-être que avec ces dénonciations, ils vont prendre conscience et, changer, changer de comportement. Merci. Gamache, selon vous, à qui incombe cette responsabilité d'occupation anarchique des places réservées aux piétons Mais c'est incombe aux autorités. C'est un État si ce qui a été réservé aux piétons est occupé par un, commerçant, il y a une défense de la municipalité. Oui, parce qu'il sait qu'il peut occuper ça, va avoir des problèmes. Mais si c'est qu'il occupe, il aura des problèmes, ah, il ne va pas occuper ça. Donc c'est un problème sur qu'il a, que les gens doivent réussir. Parce que le code, il a tout. Euh, le code, de la manière où le code a été conçu quand on le respecte, il y aura zéro accident. Il n'y a pas un code qui a, parmi les codes qui ont été, comme le code de la route, il a tout prévu. Il a tout prévu, même euh, les distances de sécurité, la conduite de nuit. Il a, c'est un code prudent. Quand on respecte le code de la route là, tel que ça a été conçu, il n'y aura zéro accident. Ça, c'est vrai. Ça, je te l'ai dit. Donc, vraiment, moi, je pense que le code de la route là aussi, les gens pensent que le code de la route, c'est pour seulement le conducteur. Non, c'est un code comme tout le code. c'est comme, le code pénal. Il doit être enseigné pour ceux qui n'ont même pas de permis de conduire. Parce que tout le monde est de la circulation. La route est partagée pour tout le monde. Donc, les gens doivent apprendre le code, même si tu n'as pas le permis. Et le code, il faut apprendre, il faut avoir des modules de formation de code de la route, même dans les maternelles. Même dans les maternelles. C'est ça la responsabilité de l'État, normalement. Merci Gamache. Monsieur Ousmane, est-ce qu'il y a des amendes qui sont prévues pour des piétons dans certains cas Oui, c'est prévu, mais ce n'est pas appliqué. Pourquoi On ne peut pas. c'est question de, question de, morale même euh, à l'heure actuelle. Euh, mais quand on fait une faute, on sanctionne. À l'heure actuelle, on sanctionne toutes les fautes, mais les, véhiculer d'abord. Les véhicules d'abord. Les, piétons, on éduque. Mais quelle faute peut commettre un piéton, par exemple Un piéton Oui. Mais le fait qu'il ne, passe pas, le passage clouté est là et il passe ailleurs. Mais s'il est occupé par des commerces, comment il fait Non, le, le, passage clouté est libre, mais il passe ailleurs. Parce qu'il ne connaît pas, il passe ailleurs. voilà. D'accord. Ok, on a constaté que dans les années 80, euh, renverser un piéton qui décède de conduire à la prison avec des fortes amendes ou des dommages et intérêts. Pourquoi ces mesures ne sont plus appliquées Alors moi je suis surpris qu'on me dise que ces mesures ne sont pas appliquées. Donc, euh, il, il, y a des, gens qui ont commis des accidents, des homicides involontaires euh, à l'issue des accidents et qui sont en prison. Donc ça, euh, tu fais un accident, mort d'homme, blessure grave, le gars il, est arrêté, il est déféré au parquet. Et d'accord, et pour un défaut de permis, est-ce qu'on peut aller en prison Absolument, le défaut de permis aussi conduit en prison. Vous en rencontrez beaucoup Mais bien sûr. Vous avez des chiffres Bien sûr, le, le défaut de permis, tout policier, tout gendarme, c'est que c'est un délit. Le gars, il est présenté à un juge. Maintenant, c'est au juge d'apprécier, pas aux policiers. Mais les cas les plus rencontrés, vous avez une, tranche d'âge euh, les concernés Non, le défaut des permis. Bon, vous savez, aujourd'hui, comme il a dit, certainement, il y a, plus de jeunes qui osent conduire sans permis que des personnes âgées. Les personnes âgées, ils, prennent plus conscience du, danger que les jeunes. Donc, c'est les jeunes qui osent donc, euh, c'est le plus concerné par la mesure. Merci. Alio, pour l'instant, que conseillez-vous aux piétons, aux automobilistes, aux conducteurs des deux roues non, Le conseil que je vais donner, ce n'est pas aux piétons, mais c'est aux autorités. C'est eux qui aménagent, c'est eux qui construisent des routes. Lorsqu'on construit une infrastructure routière, la règle, c'est le respect des usagers vulnérables. Donc faites en sorte que les piétons, les cyclistes et les motocyclistes utilisent ces infrastructures routières en toute sécurité. Maintenant, leur demander aussi au respect, au respect du passage qui leur sont destinés. C'est extrêmement important. Voilà le passage qui m'est destiné. Il faut que je l'utilise. Parce que dans d'autres pays, lorsque vous, percutez quelqu'un sur le passage piéton, eh c'est les populations qui vous prennent en charge. Et en répondant euh, favorablement à, la question de ceux qui n'ont qui pas de permis qui conduisent, beaucoup sont en prison actuellement, beaucoup, je vous dis que c'est le procureur de la République qui s'est auto-saisi en présence du commandant de, services de, service constat, où c'est des instructions fermes qui ont été données. C'est lui qu'on prend, sans son permis, il va répondre devant le juge. C'est lui qui tue quelqu'un dans l'accident, il faut qu'il réponde devant le juge. Maintenant, c'est au juge d'apprécier s'il faut qu'il parte en prison ou pas. Donc cette information, en tout cas, elle est très claire. Si vous pensez que la police va laisser passer quelqu'un sans son... Parce que, attention, il y a des gens qui ont leur permis qu'ils ne les prennent pas. Même ça, là, vous n'avez pas le droit de conduire. Quand vous oubliez votre permis, souvent la police, elle, est, voilà, elle vous dit, elle vous donne un temps pour aller le chercher. Mais tout ça, là, il faut que les gens l'arrêtent. Et les jeunes, comme je vous ai dit, c'est nous qui subissons. C'est les jeunes qui meurent beaucoup. Quand vous prenez les conducteurs de Faba Faba, les taxis, ce sont des jeunes. Il faut qu'ils prennent conscience et que l'autorité compétente qui délivre ces permis de conduire, qu'elle fasse correctement son travail. Parce qu'il faut au préalable une enquête de moralité. Il n'est pas question que des criminels puissent détenir des permis de conduire et aller euh, créer le désordre, en tout cas, dans la circulation. Merci, Alio Gamache. Quel, quel appel euh, feriez-vous à vos conducteurs et aux autorités pour une bonne circulation oui, À nos conducteurs, c'est de savoir qu'ils sont des conducteurs professionnels. Et un conducteur professionnel, je pense qu'il n'a pas trop d'excuses parce que euh, pour avoir d'abord un permis une autorisation de conduire de euh, voiture de place qu'on appelle permis de taxi, dans la réglementation, il te faut d'abord deux ans de permis titulaire. Donc deux ans, pourquoi deux ans Parce qu'on estime que tu dois apprendre. Parce que toi, tu dois faire euh, un service public, tu dois prendre des innocents, des gens pour les transporter. Donc, tu ne dois pas être euh, quand même quelqu'un qui ne conduit pas bien. Il faut être euh, aguerri, il faut être un bon conducteur pour être un taximan. Donc, vraiment, ce que nous sommes en train de constater ces dernières années, il y en a des gens, c'est par méconnaissance, il y a aussi des gens par négligence et par euh, mépris même à la réglementation du code de la route. Et là, je pense que euh, les autorités doivent sérieusement, parce que ce n'est pas, euh, ce n'est pas bien qu'on prend des vies humaines et blaguer avec ça. Donc vraiment, aux autorités aussi, c'est de bien faire leur travail. La route là, elle est faite à des grands frais. Je pense pas que c'est l'entretien qui va coûter plus cher que quand même la construction des routes. Ils ont les moyens, il y a les policiers, et il y a aussi les moyens vraiment. Et dans les grandes villes quand même, il faut que ça s'arrête. Merci Gamati, Commandant, mhm. euh, quelques conseils en une minute. Oui, ce que nous disons aux usagers, c'est de respecter la réglementation routière, qu'ils comprennent que les agents de la circulation sont à leur service et donc euh, qu'ils doivent obtempérer à leur Merci beaucoup. Voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin ce forum pour discuter de la thématique la circulation routière et non-respect de la réglementation. Nous étions avec euh, Aliou Alio Morou, le coordinateur de l'ONG Fondé Mobori, Gamache Ansambou, secrétaire général du syndicat national des conducteurs de taxi Cinco Taxi, et Ousmane Yakuba, commandant de la circulation routière de la ville de Niamey. Euh, merci à vous d'être à l'écoute euh, du studio Kalangu. Prochain rendez-vous du forum euh, demain à partir de 18h15. Au revoir.